c'est bon Merci. Merci. Oh, c'est génial. Je vous Merci. Bah, demandez à faire une mission à Canal 3 Bénin. Oui, comme ça, oui, de faire des échanges entre pays pour voir comment ça fonctionne là-bas, comment ça fonctionne ici. Il y a peut-être des bonnes pratiques que vous pouvez prendre au Bénin et, amener ici et vice-versa. Il faut demander ça, c'est très très important. Et comment ça se passe ici à Canal 3 Et comment ça se passe ici à Canal 3 Ça se passe bien pour les <laughs> Oui. Euh, je vous souhaite beaucoup de bonheur dans ce métier. Une femme journaliste, c'est eh bien. Ouais. Oh, merci beaucoup. Oh, merci ma soeur, merci. Euh, mais il y a quelque chose que j'ai oublié de dire quand je me suis présentée, que je suis chef de la délégation. N'hésitez, oui. le PDG ah, vous a dit ça, voilà. Voilà. Ça. Donc, c'est moi qui gère ces hommes-là. vous gérez tous ces hommes-là. Ah oui, c'est vrai J'aime ah, ça, c'est bon de les gérer. En tout cas, <laughs> c'est une fierté quand même. <laughs> Merci, ma chérie. Vraiment, on veut voir toujours le visage féminin au-devant des choses. Merci, ma euh, chérie. Je pense qu'en ce sens, tout va en tout cas, nous allons atteindre nos objectifs. Ah oui, ça, mais ça c'est certain. que femme, vraiment, c'est pas facile de vivre souvent. Vous savez, mm. c'est mathématique. Hein. Nous sommes plus nombreuses que. Et si on continue à envoyer les filles massivement à l'école, vous allez voir que dans quelques années, ce sont les hommes qui vont vont demander euh, l'égalité. Il suffit de commencer à envoyer systématiquement tous les filles à l'école. Il faut mettre les, filles et les garçons sur le même pied d'égalité. Et vous allez voir, quand on n'a même pas besoin de réclamer l'égalité. Quand on fait ça, dans 20 ans, vous allez voir. Parce que même aujourd'hui, on se rend compte que quand il y a une fille dans une filière, elle est toujours première de la classe. Oui. Quand il y a une fille dans une filière et qu'elle a les mêmes chances que l'homme, elle est, toujours déçue. Ça veut dire que si on arrive toutes massivement, ben, c'est eux qui vont prier, donnez-nous l'égalité au devez. <laughs> Donc on est sur la bonne voie en tout cas, oui.